non non kii sama gan la kii sama gan la mënuloo leen ko yóbbu ñu bàyyi ma du ma def loolu président je suis désolé. ba tey mais kii sama gan la boo leen may yóbbu yóbbaale leen ko yóbbaale leen ko kii sama gan yóbbul ma ko fi indi non da ngeen koy yóbbaale yóbbaale leen yóbbaale leen ma eh, yóbbaale leen ma doole leen yóbbu sama jam damay ànd ak moom doo leen may arrêté ngeen arrêté ma mais du ma ko bàyyi noonu du ma ko bàyyi noonu ñeneen ñi bu ñu defee seen événement la doo leen ko arrêté général may ma Attends, mais qui wala ñu yóbbu sama président loolu du ma yóbbu sama président loolu du ma ko yóbbu kii sama gan la président président vous ñu en dama lay topp ba prison la prison juste maintenant capitaine dites-moi pourquoi vous m'arrêtez vous m'avez pas dit Non, vous m'avez pas dit. Vous Non, vous m'avez pas dit. Non, vous Vous faites doucement. Vous vous Non, non. Non, non, non, crée pas d'attroupement. Non, oh, attroupement interdit. C'est cet attroupement. Non, non, non, Quel attroupement Celui de C'est moi qui l'ai organisé. Bon, c'est les informations que j'ai. Non, non, je On va vérifier ça. Est-ce que c'est moi qui l'ai organisé C'est ce que j'ai vérifié. Allez-y dans le Je demande si c'est moi qui l'ai organisé. Allez-y dans le jeu, s'il vous plaît. Non, mais je, vous l'ai dit deux fois. Non, je, vous, je vous pose la question. Vous êtes en état d'arrestation pour attroupement interdit. Non, mais quel attroupement Vous y étiez. Quel attroupement André oh, C'est parce que j'y étais que vous m'arrêtez. Grand. Non, non, non, non, vous non, non, non, non, capitaine, oh, capitaine, capitaine, j'étais à, ce rassemblement, vous m'arrêtez. Eh, eh, eh, vous avez participé à cet attroupement. Allons-y, on va arrêter toute la population de Kandjou. On commence par vous d'abord. Ah oui Allez. Allez-y. Euh, vous avez vu, hein Oui. C'est le, le, préfet, c'est le préfet de Sejou qui a donné des instructions à la gendarmerie pour m'arrêter. Donc, on veut m'empêcher de